je pense qu'on avait, on avait tous vu une, belle équipe sénégalaise qui était bien en place et puis euh, sur tous les points, ils étaient, étaient prêts mentalement, physiquement et euh, ils ont dominé tout le match qui n'était qui était pas évident avec une équipe qui, qui, qui, beaucoup et <laughs> qui, n'a pas... Euh, non plus mal joué. La victoire d'hier était bien méritée et puis je pense aussi qu'on a dominé tout le match on s'est créé, on s'est créé pas mal d'occasions et on a mis euh, deux buts et je pense que franchement on méritait de gagner. un peu plus ce qui est du match d'Algérie, on va, on va bien préparer euh, on sait que ça ne sera pas facile mais bon, tout est, tout est possible avec le Sénégal et on va essayer de, tout faire pour gagner. Une belle équipe qui, joue bien au ballon et ça va être un bon match. Nous sommes tous euh, des footballeurs et puis on s'apprécie bien et puis on a de très bonnes relations donc il faut juste aller au terrain et se faire plaisir, surtout euh, de la bonne manière et surtout euh, tout faire pour gagner. Comme je l'ai toujours dit, euh, moi je ne suis pas le seul joueur, nous sommes le Sénégalais, on est tous attendus donc peut-être un peu plus frais par rapport <laughs> aux autres joueurs, mais bon, je pense que c'est plutôt un avantage pour moi et toute l'équipe. Non, match, comme nous donc je dirais comme nous et puis pour ah comme je pense que l'équipe sénégalaise nous en tout cas man nous def et préparer donc euh, bonus pour l'équipe donc. Euh, comme mhm. joueurs marche a def nañu match yu et puis euh, dominé dominé match et puis euh, ñu créé occasion de xamante bon mais sinon je pense que euh, voilà on on s'est bien entraîné malgré c'était un peu dur mais c'est normal on n'a pas joué ça fait un beau temps et puis maintenant on est prêt hein. franchement on est prêt donc bon le message que j'ai à lancer au pop sénégalais comme comme d'habitude on sait que ça ne sera pas facile mais il faut il faut juste nous supporter je pense que Bien sûr, il faut critiquer, mais après, il faut que ça nous serve euh, de leçon et qui va nous, avancer. La coupe, c'est, je pense que notre objectif, euh, c'est de gagner la coupe. Et puis, je pense que là, on est bien parti. On a besoin de, tout le monde, tout le Sénégal, même les petits-enfants. Et je pense que la prière, ça sera, euh, votre prière nous sera vraiment utile. donc, on compte sur vous. Et puis, il y a mieux,